Génération FM. FM, the best radio. J'ai été citée dans une euh, affaire foncière avec des déclarations me présentant comme une complice de vampires fonciers. Je tiens avant tout à m'inscrire en faux face à de telles allégations je peux comprendre la frustration ressentie devant un manque de communication entre le collectif et la mairie. Mais je n'accepte pas que cette mairie soit incarnée par ma seule personne. Je suis le maire de la commune de Niagis et j'assume la responsabilité de la charge. Mais le village de Baraf, à un adjoint au maire élu. Il y a une administration au sein de la mairie qui fait au mieux pour répondre aux préoccupations de la population. Donc, Baraf ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il a été dit que j'ai appelé à quelques minutes de la conférence de presse et on semble me le reprocher. J'ai appelé et je continuerai à appeler. Je continuerai à appeler à chaque fois que les populations de la commune souhaitent exprimer un point de vue sur une question qui concerne la mairie. Il m'est reproché d'être entouré de vampires et de ne pas vouloir faire l'audit du foncier. Je suis avec des conseillers élus au sein du bureau municipal et du conseil municipal. J'ai deux adjoints au maire issus des, deux villages les plus impactés par ce lotissement. Je veux parler du village de Baraf et du village de Boucotte-Mancagne. J'ai porté à la tête de la commission domaniale une femme, connue et reconnue pour sa probité. J'ai pris sur moi pour toute l'année 2022 de ne percevoir aucun franc des frais de bornage. Je mène les diligences nécessaires pour constituer la base documentaire des différents lotissements. J'en ai toute la responsabilité et j'ai demandé l'érection d'un lycée technique au niveau des emprises prévues dans les assiettes destinées aux équipements collectifs au niveau de Baraf j'ai assumé publiquement le problème foncier de Niagis, même si je n'en suis pas comptable. Je souhaite dès lors appeler les uns et les autres à faire preuve de retenue, car la situation est claire et simple à résumer. Je suis avec mes populations et dans cette affaire, je ne protège personne. Et toutes les diligences sont menées dans le cadre des prérogatives de la mairie et du maire que je suis. Je vous remercie. courrier est suivi, euh, les diligences sont faites. Chaque fois qu'il y a un, même des conflits, hein, les conflits euh, en matière de domaniale, les commissions travaillent, les courriers sont imputés. Effectivement, il y a eu, nous avons reçu, nous avons vérifié. Nous avons effectivement reçu une demande du collectif il y a eu malheureusement un dysfonctionnement interne. Et je l'assume parce que je suis euh, la responsable de la mairie, ce qui n'est pas normal. Dès l'instant qu'ils ont demandé à rencontrer euh, l'équipe municipale, la mairie, euh, les diligences auraient, les imputations auraient dû être faites comme elles se font tous les jours. Mais là n'est pas la question. c'est une problématique qui était euh, traitée depuis le début, qui n'a pas attendu le mois de septembre pour être traitée. Et cela me permet euh, d'embrayer sur la deuxième question par rapport à mon... Dans quel état d'esprit je suis Encore plus combative qu'hier. Encore plus combative qu'hier pour apporter des solutions, pour améliorer les conditions de vie de la population de Niagis. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est rien d'autre qu'un cri du cœur. Un cri du cœur par rapport à une population qui euh, s'est sentie lésée dans ses droits, qui a été frustrée de ne pas pouvoir accueillir un projet structurant et leur dire que la commune, euh, Madame le maire, toute l'équipe municipale, le bureau municipal, seront présents aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour être aux, côtés des populations, pour euh, vraiment faire de, la, de Niagis ce qu'elle doit être, le pôle de développement euh, agricole du département, mais aussi la plus belle des communes la population demande un audit sur le foncier, les diligences sont en train, elles se font. Elles se font, c'est de prendre les, équipes euh, les équipes travaillent là-dessus. Et je pense qu'on n'a pas, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant qu'on a commencé. Je pense que juste après, euh, dès après la prise de fonction, nous avons même saisi une fondation qui avait fait un, rapport sur la situation foncière de, de Niagis pour euh, avoir un accompagnement dans ce sens. Nous travaillons aussi avec euh, l'administration territoriale pour euh, avoir une meilleure visibilité euh, sur, ces différents lotissements. Donc les diligences sont, en cours, tout simplement. Vous savez, les équipements, ce, lotissement, je pense, il est depuis 2017 ou 2019, je sais plus, 2017, je pense. Ce qui peut être récupérer et sauver, nous le ferons, mais nous n'irons pas aussi, nous ne sommes pas assez démagogues pour dire là où on a trouvé des gens qui ont construit des maisons, on va les casser. Il ne s'agit pas de créer un problème sur un autre. Euh, la question de foncière est assez sensible et il faut savoir la gérer en toute intelligence. Donc euh, le plus important aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une problématique qui sera adressée en prenant en compte euh, l'intérêt des populations et en le faisant au mieux, mais pas en créant encore euh, une, autre, une autre crise. Les populations ont assez souffert, vraiment, et il nous faut euh, aller de l'avant euh, et, ouvrir vraiment d'autres perspectives aussi. Et, des sur le foncier, il n'y a pas que, je pense qu'elles ne sont pas spécifiques à la commune de Niagis. effectivement, avec le retour des populations, ça, on, reçoit des doléances, on reçoit, on reçoit des, requêtes. Hein, tel était c'était le champ de mon grand-père, c'était euh, l'exploitation de mes parents. Bon, ce sont des problèmes que nous gérons, que nous réglons au fil de l'eau. La solution, ce n'est pas de répondre en disant que les terres du domaine national hein, euh, n'appartiennent à personne. Il faut tenir compte, il faut prendre compte aussi de ces sensibilités-là, de, ces problématiques, et puis de cet attachement que nous avons foncièrement à, euh, à notre terre, à nos origines, à, voilà. Donc tout cela, il faut le, il faut le gérer de manière assez diplomatique, assez, euh, assez, quand même assez euh, dépassionné, surtout dépassionné, sinon on créera un conflit sur un autre. Moi, saytu li ñu bind binde li am te yaakaar naa ni loolu ñu ngi ciy liggéey lu gënoon jafe nag mooy saytu la ñu bind ndax la bind pour reconstituer ko euh, ci loolu la ñu nekkoon boo demee ñu ne la la après lii amoon na beneen réunion à mon lii à mon lële parce que aussi. Euh, il nous faut être honnêtes. Au niveau de la commune de Niagis aujourd'hui, nous, nous sommes en train de mettre en place une administration. Nous, nous, nous, sant de administration administration mooy lan administration loo ñëw fekk fa këyit fekk fa fond fond de dossier bi fekk fa fond documentaire bi liggéey boobu ñu ngi si parce que boo ñëwee euh, diw ne la ah diw a ngi jaay nga dem jàpp kooku di wangi jay lan lay jay limu jay moko moo momuko ñun liñu engager moy la nga xamantene ne nee nañu lii mooy équipement collectif équipement collectif moy la nga xamantene communauté bi moko mom donc ci loolu lañu ñu euh di ci liggéey identifier ko def visite sur site xol la fa ne donc loolu mo ñuy permettre yaakaar naa ni loolu lañuy wax audit te ñu ci ciy liggéey di ko ci di ko def voilà. parce nit ko am bu amé liko ko

xale yi nag ba ñu daje ba ñu defee seen conférence ci dañoo amoon lu leen naqari dañoo am lu leen naqari ñu wax ko donc tey it man it ma toog expliquer euh, xëy na nag bu ñu rencontre ba ñu laajte woon bu amoon ba ñu toog loolu tam dama koy nangu ba ñu toog du ñu egsi woon fii yëpp mu nekk li nga xamante ne maa ngi koy ñaawlu je leur tends la main ñu ñëw toog waxtaan si ñoom ak ñeneen ak ñeneen parce que fii euh, ni ñu koy waxee amul sens interdit amul dara lu ñuy nëbb lépp lu ñuy waxtaanee lu am fulu ci salle ci salle bi la ñuy toog di ko waxtaanee les portes sont ouvertes euh, liñ fi fekk tamit nëbbuñu ko ndax toog nañu fu ne euh, accepter ni Niaguis dafa am problème foncier. accepter Niaguis dafa am problème foncier waaye suñu responsabilité ginnaaw xool liñ fi jot a fekk nuñ koy ñab-ñabalee ba ku ci nekk mën ci gis sa bopp euh, niñ koy defaree ba ku ci nekk mën ci gis sa bopp waye benen responsabilité bi nga xamantene bobu boobu it mooy lii bu mu fi amati li bu mu fi amati ba ñuy retrouver wu ci ay situation yi nga xamantene dañuy def lotissement euh, ki ne d'accorduma ki ne daggate nañ sama li ki ne fi lañu ñu prévoiroon lycée fekkatuñ fa lycée lolu foog naa ni euh, ñun yene nañ ña gis lu ëpp lolu l'existant moy li may wax euh, nit boy jël ben solution à ce problème Donc, on régler en créant d'autres problèmes encore parce que le euh, lotissement bi a une partie qui a xamante euh, équipement collectif la mairie bee ko population bee ko il lañ fa a récupérer yëpp dinañ ko récupérer c'est une responsabilité là, l'équipement équipement collectif

fa la ñuy prévoir pour plus tard bu ñu bëggee tabax école tabax poste de santé wala loolu bu ñu demee fekk fa ay nit yi nga xamante ne def di lotir di ko jaay ku fa jënd yàq nga sa xaalis parce que loolu duñ ko bàyyi mu jàll. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.